le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du le forum du Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont les inondations occasionnées par les fortes pluies au Niger et les dégâts occasionnés notamment aux riverains du fleuve Niger. Ensuite, nous reviendrons sur la situation au Mali pour parler de l'évolution des discussions entre la junte militaire qui a pris le pouvoir et la CDAO. Et enfin, nous aborderons la question des élections à venir dans certains pays en Afrique. Pour débattre de ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir Memoun Gado, journaliste freelance. Maimouna, bonsoir. Bonsoir, Fatih. Monsieur Garé Amadou, journaliste à La Nation. Bonsoir Garé. Oui, bonsoir. Et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan, bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, la présentation de ce forum euh, de la presse est assurée par Fatih Zakari. Actualité obligée, nous ouvrons cette émission par les inondations constatées ces derniers jours au Niger. Les fortes précipitations qui se sont abattues ce mois d'août ont provoqué la montée et le débordement des eaux du fleuve Niger. Plusieurs maisons se sont effondrées et des pertes en vie humaine ont été enregistrées. Selon la protection civile sur le plan national, 47 personnes ont perdu la vie, dont 37 dues à l'effondrement d'habitations et 14 par noyade. À l'heure actuelle, beaucoup de sinistrés sont encore sans abri et certains attendent encore le soutien des autorités. Quelle euh, lecture faites-vous de cette euh, situation, Monsieur Gary Vous savez, les intempéries ce sont des choses qui arrivent même dans les pays les plus, les plus riches. Euh, vous savez, je me rappelle de, de l'ouragan Katrina, effectivement, aux États-Unis, et les différentes tempêtes et les différents ouragans qui ont frappé les pays, les grandes puissances. Mais moi, ce qui s'est passé concernant ces inondations-là m'amène à des réflexions pour que les mêmes choses n'arrivent pas toujours à la même période. Par exemple, moi je considère qu'il est inconcevable dans, ce 21e siècle que l'on continue à favoriser la construction de maisons en banco. Déjà, ça, il faudrait que l'État puisse, en tout cas, créer les conditions pour que euh, les matières premières, là, les ciments, puissent être accessibles et permettre aux gens qui ont des, petits moyens de construire des maisons en matériaux définitifs mhm. plutôt que de construire des maisons en banco. Deuxième chose, mhm. c'est le fait que chaque année, la même chose se répète. Je vais dire par là, les gens construisent dans les lits du fleuve. Maintenant, une fois que la saison de pluie finit, elle s'achève, l'État nous fait croire qu'il a mis en place un mécanisme pour permettre aux personnes d'être relogées quelque part. Mm. Mais qu'est-ce qui se passe Au vu aux yeux de tout le monde, les mêmes personnes reviennent euh, reconstruire. Et moi, j'ai dit, il ne faut pas chercher un coupable quelque part, c'est l'État qui est responsable. Parce que pour moi, l'État doit empêcher aux gens de reconstruire aux mêmes endroits. avant on m'a dit que, ah oui, euh, le Premier ministre a effectué une visite sur les lieux des, inondations hmm. et que maintenant, euh, ils sont en train de réfléchir. Parce que j'ai dit à quelqu'un qui travaille, par exemple, au niveau de la communauté urbaine, j'ai dit non, euh, il ne s'agit pas d'apporter de, l'assistance seulement. Faites en sorte que ceux qui retournent sur les mêmes endroits pour construire, qu'ils ne puissent pas aller. Il dit non, maintenant c'est une préoccupation pour nous. J'ai dit non. Et chaque fois, c'est ce que vous dites. Mhm. et, et, on constate que les mêmes gens retournent pour le construire. Je pense qu'on peut éviter, même si on ne peut pas éviter les catastrophes naturelles, les conséquences, on peut les éviter en faisant en sorte que vraiment ceux qui partent reconstruire les lieux du fleuve, qu'ils ne partent pas le faire. Et je pense que c'est ça le grand défi maintenant qu'on a à, à gérer. Mhm. Yadou Oui, bon, je rejoins un peu ce que Garé vient de dire à l'instant par rapport donc, à ces inondations. Quand on regarde trois ans à peu près, chaque année, la même période, c'est des inondations et c'est les mêmes endroits en fait qui sont affectés. Donc je pense que, comme il l'a dit, euh, ces gens-là qui construisent en banco, on doit euh, vraiment euh, regarder, euh, ne pas encourager la construction de ces maisons à Bangou. Mhm. Également, empêcher ces populations de construire sur les bras du fleuve. C'est très important parce que chaque année, quand vous regardez, c'est la commune 5 qui est la plus touchée par ces inondations. Parce que tout simplement, c'est le bras du fleuve jusqu'à Saga, quand vous regardez, c'est les bras du fleuve qui continuent. Donc ces bras du fleuve-là, quand il y a euh, la pluie, et elles viennent en, grandeur pluviométrique euh, insoutenable, mais il ne peut avoir que d'effondrement euh, de maisons. Mais même si tu construis une maison qui n'est pas en banco sur le lit du fleuve, mais je pense que <laughs> la, moindre des choses, c'est que ta maison sera détruite. Hein. Et je, je voudrais également que peut-être qu'au niveau de la mairie, et au niveau également du ministère de l'Urbanisme qu'on essaie de regarder comment est-ce qu'il faut faire avec ces, ces quartiers, ces anciens quartiers-là. Il, y a oh, il faut restructurer ces anciens quartiers-là. On peut plus rester, on peut plus regarder ces anciens quartiers, les populations euh, rester dans des difficultés parce que non seulement il y a le problème c'est le problème incombe à l'État, c'est vrai, mais mhm. le problème également incombe à la population. Mhm. Parce que toi qui es victime de cette situation, l'année passée, mais il faut s'attendre que cette année aussi, si tu te trouves sur le même lieu, que tu sois également victime. Donc, dans ce cas, mieux vaut prévenir que guérir. À la population aujourd'hui de réfléchir comment est-ce que ces populations aussi doivent créer les conditions pour permettre euh, à l'État de réorganiser ces, anciens quartiers. Et comme vous savez, il y a eu euh, les habitudes des Nigériens, on dit on les chasse, ça revient toujours au galop. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand l'État s'efforce de leur donner un endroit, ces mêmes gens-là vendent, il paraît-il, ces, ces, ces endroits-là, les petites parcelles, ils, ils vendent ces parcelles-là pour revenir construire encore dans leur même euh, euh, leur ancien habitat. Parce que pour ces populations, l'État, demain, quand on serait encore sinistré, l'État va encore nous donner mhm. un endroit où on va se caser. Donc, c'est <laughs> une réflexion c'est un mm. commerce qui est né autour de ça. Les gens ont crié, décrié la situation. On a besoin de d'écoles là où on nous a recasés. On a mm. besoin de, de, soins. On a besoin de tout ce qu'il faut pour que nous, nous puissions rester. Mais aujourd'hui, l'État les a fournis ça il y a des écoles. L'État a construit une école là-bas. L'État a donné le nécessaire en eau potable. Mais aujourd'hui, il faut aller voir. Est-ce que ces gens-là sont véritablement là-bas Est-ce qu'on va continuer avec ces intempéries, avec euh, ces inondations, à accueillir des familles dans des écoles où l'approche de la rentrée aussi, c'est un autre problème ou est-ce qu'il faut les recaser parce que c'est dans des écoles aujourd'hui que ces inondés se retrouvent Mais comment est-ce qu'il faut préparer la rentrée dans ce cas avec ces écoles et ces inondations si <laughs> on arrive à avoir l'eau jusqu'à septembre C'est un problème. C'est un défi auquel vraiment, véritablement, tout le monde doit s'y mettre et l'État et les populations victimes d'inondations. Hassan Boukara, le service de la météorologie, avait annoncé les prévisions pour euh, cette année. L'autorité du bassin du fleuve Niger euh, aussi a sonné l'alerte avec euh, le dépassement du seuil d'alerte du fleuve. Est-ce que l'autorité aurait pu faire une prévention Est-ce que aussi la population aurait dû partir avant l'arrivée des eaux Merci. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte que, comme d'autres villes africaines, notamment la ville de Niamey, attire du monde parce que c'est quand même le premier pôle économique du pays. Mhm. Ça attire de plus en plus du monde. Regardez comment la ville s'élargit aujourd'hui avec des quartiers qui se créent à tout bout des champs. Les gens qui arrivent, ils sont attirés par les petits métiers qu'offre la ville, des opportunités de travail. Ils ne sont pas capables d'acheter une parcelle en bonne et due forme et s'installer. Ils cherchent des habitats précaires. Ils essaient de coloniser des zones presque abandonné parce que euh, on n'est pas censé faire des lotissements dans ces zones-là. Et par exemple, le, lit du fleuve, c'est des zones où les gens partent s'installer. Donc aussi longtemps qu'on se retrouve dans des pays où finalement l'essentiel de l'activité économique est concentré dans certains milieux, ça va attirer du monde et on aura à faire face à des gens qui viennent coloniser des espaces et qui s'assient dans des zones très précaires. donc à mon avis, au-delà de tout ce que Garé et Memouna ont dit, il y a quand même une réflexion à faire, sachant que ça ne va pas s'arrêter des gens vont continuer à venir. Des gens qui sont déjà là, on a du mal à les gérer. D'autres vont continuer à venir. Maintenant, les prévisions qui ont été faites, c'est quand même aussi un rapport avec le, changement climatique. Peut-être que de plus en plus, on aura à faire face à ce type de situation avec des pluies qui viennent en peu de temps. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire euh, On ne peut pas empêcher que ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans une ville comme Niamey, euh, au-delà des cas les plus dramatiques, des maisons qui s'effondrent, des personnes qui s'attuent, regardez les quartiers qui ne sont pas les lits du fleuve. Vous n'avez pas de caniveau. Quand la pluie arrive, les routes sont totalement impraticables. Regardez cette avenue Tanimoun. Regardez tout le long de l'avenue, vous n'avez pas de caniveaux et donc les maisons. Vous avez des, entrées des maisons où pendant une semaine entière, les eaux stagnent. Vous ne pouvez pas rentrer sauf si vous pliez le, panier ou le pantalon pour rentrer chez vous. Ce n'est pas agréable. Et ça, c'est ça on peut corriger. Si on ne peut pas empêcher au plus de venir en grand, ça, ça c'est possible, ça on peut le corriger. Regardez des, des nouveaux quartiers qui sont installés, là où vous trouvez des rues totalement bloquées. Or, lorsqu'on fait ce quartier, il faut quand même l'aménager. Un moment, c'est une disposition de la loi. Lorsque les gens achètent des parcelles, cet argent, vous ne pouvez l'utiliser que pour aménager l'espace. Vous ne pouvez pas en faire autre chose. Et donc, à mon avis, il y a énormément de choses à faire. Il y aura des prévisions. Euh, et ces prévisions, c'est pour dire au pouvoir public, si vous avez des choses à faire avant que ça arrive, faites-le. Alors, le plus souvent, presque rien n'est fait. Et c'est bien dommage que ça arrive au-delà du milieu urbain. Moi, euh, j'ai eu, peut-être j'allais dire, l'imprudence de voyager le lundi dans la matinée, là, pour joindre Niamey à Tilaberi. Mais vous voyez les routes. Vous avez énormément de ponts entre Niamey et Tilaberi. On est arrivé à des endroits où finalement euh, l'eau remonte, remonte et ça déborde le, pont et ça pose des risques pour les personnes qui voyagent. Alors toutes ces choses-là, il faut les voir. Il faut les prévenir, il ne faut pas attendre que des gens meurent pour dire qu'il euh, il faut prendre les mesures. Donc, à mon avis, les alertes qui arrivent, c'est pour dire au pouvoir public il y a quand même des choses à faire. Malheureusement, euh, les gens le font rarement, mais aussi le plus grave, c'est que quand la saison des pluies passe, on a tout oublié on attend les prochaines saisons et c'est bien dommage. Et comment aider donc ces populations en détresse euh, puisqu'actuellement il y en a euh, Oui, euh, que, ce qu'on fait traditionnellement c'est de alors il faut mhm. les caser ailleurs, on les mhm. amène dans les écoles, sachant bien que dans deux semaines l'école va reprendre à partir du 15 septembre mhm. l'école le secondaire va reprendre. Maintenant, l'idée de dire il faut amener les gens, il faut les caser ailleurs. Je pense que normalement l'État est censé faire votre bonheur même contre votre volonté hein. s'il y a des menaces fortes et c'est avéré, ce n'est pas simplement des risques, puisqu'on a vu des maisons effondrées parce que c'est l'île du fleuve. Il faut absolument prendre des mesures, faire en sorte que les gens ne continuent pas à construire sur ces endroits-là. On voit euh, des moments des plans sociaux qu'on fait on construit des quartiers pour dire aux gens, moyennant tel montant, vous pouvez venir habiter. Mais il faut aussi cibler les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre ces logements sociaux. Le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que le droit à la vie soit préservé. La vie de ces personnes sont menacées. À mon avis, les pouvoirs publics peuvent aussi travailler de façon à réduire davantage la possibilité d'avoir accès à ces maisons et cibler les plus pauvres. C'est possible de, de le faire. Donc, à mon avis, dans nos pays, les États doivent aussi arriver à le faire. Sinon, on aura toujours de façon récurrente mhm. des gens qui sont là, qui habitent les zones les plus difficiles, là où, ils sont les plus exposés à des intempéries, à des débordements du fleuve, etc. Ça, on va continuer à avoir ça. À mon avis, il faut vraiment faire une réflexion à long terme. Mais dans l'urgence, la seule chose que vous mm. faites, les, si les maisons s'effondrent, c'est de dire aux gens, bon, on va vous caser. Euh, les écoles, c'est facile parce qu'on est en période de vacances, sachant bien que euh, les vacances, euh, ça ne va pas durer. Maintenant, quand on les amène sur les terrains, ailleurs aussi, là, il y a tout un travail. Vous avez des gens qui sont fragiles, vous leur donnez une parcelle. Alors, ils ont l'impression qu'ils peuvent peut prendre, dans une ville où la terre coûte extrêmement cher, ils peuvent prendre 1 million, 2 millions. La tentation de vendre est grande. Ça, ça, va, ça peut arriver aussi. Il faut, à mon avis, avoir une réflexion beaucoup plus durable et réfléchir avec les, personnes. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revoie aussi le schéma d'urbanisation de, la ville de Niamey. Parce qu'un de nos grands problèmes, c'est que, en fait, les gens construisent des maisons, on ne pense pas aux canalisations, comme l'a dit Abba. C'est-à-dire que la plupart, même des nouvelles cités qui sont en train de se construire. Euh, oui, il n'y avait pas de canalisation. Mais on, on ne réfléchit pas à la canalisation. Et moi, j'ai dit, il faut que, vraiment qu'on puisse, que ça puisse changer. Le principal problème de, la capitale, par exemple, c'est vraiment ces, problèmes de canalisation. S'il y avait des bonnes canalisations, la pluie va tomber, mhm. même si elle est abondante, mais l'eau va rentrer par les canalisations, elle va, partir quelque part peut-être. Mais voilà, elle va être évacuée, comme ça se passe dans les grandes villes. Mhm. Vous savez, les pluies, elles tombent même en Europe. Hein. Mais demandez-vous pourquoi en Europe, on ne trouve pas des mares et des trucs. Non, non, non. C'est très simple, c'est la canalisation. Et là, nous, malheureusement, depuis que la ville est en train de grandir, personne ne pense à ça les municipalités ne pensent pas à faire des canalisations. Et là, c'est un problème. Regardez par exemple la grande voie qui sort de police au cours du... Mais c'est des, marbres. des, des partout. C'est grave. Une belle route comme ça, n'est-ce pas Et qui n'a pas de canalisation. Et on a des, des, des un peu partout. Et ça se dégrade. Mais vraiment, il faut, il faut que ça change. Il faut que les gens, il faut que la municipalité vraiment faire changer les choses. Et surtout, il faut que aussi les gens euh, changent de mentalité. De mentalité. Voilà, un changement de mentalité pour faire en sorte qu'on ne construit pas n'importe où juste pour construire. Il faut exiger de la municipalité municipalité qu'elles euh, puisse mettre les canalisations pour évacuer les eaux. Parce que mm, normalement, mhm. lorsque la mairie fait un lotissement, mhm. Mhm. tout l'argent que les gens mettent pour acheter les parcelles, cet argent ne doit pas avoir un usage autre que la mise en valeur de ce terrain. -là. Bien sûr on doit faire l'éclairage public, on mm-hmm. doit faire la voirie, mm-hmm. on doit vraiment faire en sorte que là où il y a des passages d'eau, mm-hmm. on puisse déjà réfléchir à, faire, euh, à laisser ces passages. Euh, le passage d'eau, si vous le bloquez, ça sera une marre dans, le quartier. Et donc toutes ces choses-là, la mairie peut le faire. On peut toujours dire c'est la pluie, c'est Dieu qui l'amène. C'est parfois facile de le dire, mais il y a aussi des rôles à jouer. Il faut que chacun joue son rôle. Moi, j'insiste sur les problèmes à moyen et à long terme. Vous savez, les fonds des délits, normalement, euh, les collectivités n'ont pas la possibilité normalement d'utiliser les fonds mhm. des lotissements, mhm. euh, les fonds où les gens viennent acheter les passades, etc., à faire autre chose. Je pense que de plus en plus, on laisse les collectivités l'utiliser pour leur fonctionnement. C'est-à-dire, vous avez un personnel municipal qui est là, vous avez des arrêts de salaire, vous avez des frais de l'éclairage, vous avez des frais de téléphone, etc. On fait les lotissements pour avoir des sous et régler ce problème. Aussi longtemps que les collectivités ont la possibilité de faire ça, dès qu'ils ont des problèmes, ils font des lotissements. La ville de Niamey, l'élargissement aujourd'hui de, la ville de Niamey s'explique par ça. Euh, je me rappelle en 2005 ou 2006, Baribi Bata était euh, dans la ville de Niamey. Moi, je suis allé pour des articles, des reportages. À l'époque, elle disait, mais la ville de Niamey est presque en avant de 10 ans par rapport à son schéma directeur. Il y avait donc une sorte de, d'extension euh, totalement incontrôlée de la ville de Niamey et qui fait qu'on a du mal à faire en sorte que le service public puisse suivre. Et du coup, ces quartiers ne sont pas viabilisés. Euh, dans une ville où le logement coûte extrêmement cher, dès que vous avez un peu de sous, chacun cherche à avoir son propre chez. Et les mairies l'ont utilisé comme une aubaine pour se faire des sous pour leur fonctionnement. À mon avis, il faut aussi obliger, notamment la ville de Niamey, à faire en sorte que ils ne puissent pas faire euh, gratuit, facile des lotissements. S'il le faut, il faut qu'il arrive à l'aménager. Et là, ça évite à ce que dans des quartiers vraiment nouveaux, qu'on se retrouve avec euh, euh, des marigots, des choses partout, alors que les quartiers viennent juste d'être installés. Et là, à mon avis, de ce côté aussi, il y a des choses à faire. Les discussions entre l'agent euh, au pouvoir au Mali et les émissaires ouest-africains de la CDAO se sont achevées ce lundi sans accord sur les conditions de retour à l'ordre civil dans le pays. Le point de discorde reste sur la durée de transition. Vous vous rappelez, les putschistes proposent deux ans de transition qui sera dirigée par un militaire euh, pour, euh, selon eux, revoir les fondements de l'État malien toute chose qu'a refusé la CDAO. Quelle analyse faites-vous de cette situation Je commence par Mme Diado. <laughs> La situation au Mali, avec euh, le non-consensus entre la junte militaire et la CDAO, il fallait prévoir ça parce que la CDAO ne va jamais accepter qu'une jante militaire qui est venue par les armes aujourd'hui décide de faire deux ans de transition euh, où est-ce qu'on a déjà vu deux ans de transition Nous, on ne connaît que neuf mois de transition ou trois mois de transition. On peut aller, on estime que peut-être trois mois de transition, c'est, ça, ne peut rien résoudre. Donc, on allonge ça pour neuf mois de, transition. Mais deux ans de, transition, là, il, faut, il faudrait ajouter encore un an ou deux ans pour que ça soit véritablement un euh, un gouvernement qui a dirigé le Mali. C'est plus une transition, on ne parle plus de transition quand c'est deux ans. Mhm. Et je pense que la gente au pouvoir doit réfléchir, hein, doit énormément réfléchir parce que ce n'est pas en fait l'aveu du peuple malien. Mhm. Le peuple malien n'a pas décidé qu'une gente militaire aujourd'hui, ça soit pour deux ans. La, gente malienne, euh, la population malienne n'a pas revendiqué ça. La population malienne en a eu marre peut-être de Ibeka, mais ils n'ont pas dit qu'ils veulent véritablement une transition qui fait deux ans. C'est une transition qui fait deux ans. Dans ce cas, ce n'est pas un militaire qui doit faire la transition. Pourquoi ne pas mettre un civil dans ce cas pour la transition Et je pense que tout réfléchi, euh, tout réfléchi, les militaires attendaient déjà une opportunité, en fait, une opportunité, une petite opportunité pour faire placer à la tête du pouvoir malien euh, quelqu'un de leur. C'est ça en fait. Donc, c'est juste euh, quelque chose, euh, euh, la petite goutte d'eau qui a déversé <laughs> le vase, comme on dit, ou quoi. Donc, oui, oui, qui a fait déverser, déverser le vase, déborder, donc, la, déborder la vase. Donc, ça veut dire qu'ils attendaient tout juste ça. Mais au finish, on se rend compte que c'est vrai, c'était applaudi quand ils ont fait. Les populations se sont dit, voilà, l'agent militaire est venu nous débarrasser de certaines choses. Mais aujourd'hui, en deux ans, deux ans, deux ans, mais qui va accepter deux ans Même la CDAO, même au loin de la CDAO, personne ne peut accepter deux ans pour le Mali. Euh, une gente militaire pour le Mali, deux ans Non. Et je pense que maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mhm. véritablement négocier sur ça, revenir sur neuf mois, par exemple, de transition, et mettre des institutions, aider le peuple malien à aller vers vraiment euh, euh, vers une autre démocratie. Ça veut dire quoi après la transition, mettre des institutions fortes qui vont euh, servir le peuple malien et non servir des individus. C'est ça en fait. Oui, en fait. En fait, vous savez ce qui s'est passé au Mali, c'est vraiment euh, euh, l'éternel recommencement. Vous avez par exemple des crises sociales, et puis vous avez des militaires opportunistes qui sont mm-hmm. là aux aguets, n'est-ce pas, des aventuriers qui sont là, qui attendent le bon moment, comme l'a dit. Ah, oui, oui, qui attendent le bon moment. Et puis, bon, on dit, ah oui, oui, oh, on a renversé, on a entendu l'appel du peuple. <laughs> Voilà, on a, a, on, a, mis Ibeka de côté. D'accord, on a mis Ibeka de côté. Mais la particularité de ce qui s'est passé au Mali, c'est que D'abord, la constitution n'a pas été suspendue. Et puis, les, éléments de la junte ont dit non, on garde la Cour constitutionnelle et on garde la plupart des institutions, on dissout le gouvernement, on dissout l'Assemblée. Bon, qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait tout simplement faire des élections anticipées, présidentielles, législatives, puisque vous avez... Oui, mhm. c'est tout ce qu'il fallait faire. Donc, l'explication qu'ils donnent, qu'il donne deux ans pour rétablir les choses, ça ne convainc personne. Vous comprenez Au début, ils ont dit trois ans. Oui. Serge Daniel, qui a eu 20 de cette information-là, il l'a divulguée. Après, les militaires ont fait le truc. Ils ont dit Ah, on n'a jamais dit trois ans. Alors que c'était vrai. <laughs> Au début, c'était trois, ans. Mhm. Après, maintenant, ils disent deux ans. Selon ce que j'ai entendu, la dernière information que j'ai eue, la CEDIAO veut les amener à accepter une transition de un an. Mais même un an, c'est trop. Puisque la Constitution est là. Mm. La Cour constitutionnelle, ils disent qu'ils la maintiennent dans leur feuille de route. La Cour constitutionnelle est maintenue. Il faut faire des élections anticipées. Qu'est-ce qui explique cette boulimie ou cette volonté des, militaires à vouloir rester pendant longtemps En réalité, ils veulent se sucrer. Est-ce que vous comprenez Non, non, il y a deux choses. Ils veulent se sucrer. Bien sûr, on va faire deux ans, n'est-ce pas on va attraper les gens, on va mettre les gens en prison, mhm. n'est-ce pas Les gens qui ont bouffé de l'argent, comme on dit, à, terre à terre, n'est-ce pas Et puis là, eh, quand la transition va s'approcher, on va déposer la tenue, mhm. n'est-ce pas <laughs> Le scénario du ATT. Et puis on met la, Oui, on dit. Ah, et, ce qui m'a choqué le plus, ce sont les propos de l'imam Diko. Mais l'imam Diko, on lui pose la question mais qu'est-ce que tu vas faire Il dit Ah non, non, j'ai fini ma mission, je rentre dans la mosquée. Ah bon ah, ta, ta, mission, c'est juste pour installer les militaires Tu ne vas même pas surveiller les militaires mais qu'est-ce que ça veut dire Tu ne vas même pas les surveiller pour savoir s'ils vont bien travailler Il dit non, non, je retourne de la mosquée. J'ai dit non, non, non, non, tu ne retournes pas de la mosquée, tu as mal fait. Si tu fais ça, tu as mal fait, tu n'as pas fini le travail. Donc tu donnes carte blanche aux militaires, tu penses qu'ils sont des anges et puis c'est fini ta mission. Non Ta mission, normalement, c'était de dégager Ibeka et puis peut-être de permettre au, peuple malin d'avoir un espoir dans un avenir meilleur. Mais là, ce qu'on constate, c'est que les militaires veulent rester. Ils veulent rester pendant longtemps. À à quelle fin Pourquoi Et puis, le plus choquant, on a des militaires qui fuient les camps militaires au nord quand les terroristes attaquent, mais qui savent faire des coups d'état de la capitale. <laughs> Vous savez Non, non, non. Mais c'est ça le spectacle. T'as dit ça, c'est pour faire des coups d'État. Ils sont forts. J'ai vu des, des images où on montre des militaires avec des, deux, Kalachnikovs euh, euh, en euh, fanfaronnés, vraiment faire les, les fiers. Alors qu'au nord, la situation est. Les militaires se font massacrer. C'est pas ça votre rôle. Puisque vous dites que la constitution est là, organiser des élections anticipées. Même trois mois. Mais c'est la même constitution qui est en vigueur. Vous avez dit que la Cour constitutionnelle est là. Mais bon sang, pourquoi vous voulez rester deux ans Trois ans même au début. Comme Et le plus choquant, le plus choquant, c'est que j'ai l'impression que le peuple malien semble être d'accord. Avec même trois ans. Je vous assure. Eh, eh, le peuple n'a pas réagi jusque-là. Non, mais quand je dis le peuple, quand je dis le peuple, la plupart des gens qu'on interroge, ils semblent se satisfaire du fait qu'ils disent non, non l'explication qu'ils donnent, ah non, non, il faut donner autant temps aux militaires. C'est des Maliens qui disent ça. Il faut donner le temps aux militaires pour, reconstruire le pays. ah bon Et c'est ça qui est choquant. Et puis, bien sûr, on va nous amener le même, la même rhétorique. Ah, c'est Le peuple, mais c'est qui le peuple C'est la question que je pose tout le temps. Oui. Mais un million de personnes de la rue, c'est le peuple est-ce que quand il a voulu faire le Tazarchi, il a dit que c'est le peuple qui l'a demandé Les gens qui ont fait les trucs pour dire Ah oui, vive, c'est le peuple. Donc il y, a vraiment un débat qu'il faut faire, un débat sémantique qu'il faut faire. Le peuple, c'est quoi Pour qu'on puisse savoir si ceux qui ont vraiment demandé le départ de Ibeka, c'est le peuple ou c'est pas le peuple. Ça, c'est ça la solution, le fait que les militaires dirigent le pays pendant deux ans Moi, je, commence là au Gary à fini. Moi, je trouve que ça ne me choque nullement. Mhm. Si les, euh, le peuple malien est d'accord avec son armée, je ne trouve rien de choquant. Si le peuple malien considère que on a besoin de trois ans, eh bien, ce serait le choix du peuple malien. Mhm. Mettons-nous à l'esprit que de l'extérieur, on ne peut pas régler la crise malienne elle va se régler de l'intérieur avec les acteurs. La mm. preuve, le jour où la CDA a dit Gare à vous, si vous touchez à Ibeka, c'est la ligne rouge, on voit bien que cette ligne rouge, maintenant, elle est derrière nous. <laughs> Et donc, la réponse à la crise malienne, elle va se retrouver en territoire malien. Maintenant, sur la durée, c'est vrai que l'armée n'a pas vocation aujourd'hui à gérer le, pouvoir politique. Nous sommes, sommes d'accord sur ça. Maintenant, la durée de la transition, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire d'une transition. En fait, à quoi elle sert une transition si c'est simplement pour organiser des élections, oui, trois mois, je pense que trois, quatre mois, c'est suffisant pour faire, pour, faire des élections. Mais est-ce que les Maliens, en faisant tomber Ibeka, la seule chose qu'ils demandaient, c'était quelqu'un d'autre à la place de Ibeka Je pense que, sauf si je me trompe, ce n'est pas ça qu'ils demandaient. Les Maliens disent on a une gouvernance qui est faite vraiment de, de corruption. Il y a énormément de corruption. On est en conflit avec un système judiciaire qui blanchit les élections. J'emprunte le terme à l'imam Diko, qui dit en fait, quelquefois, la justice est là pour faire du blanchiment. On voit un responsable politique qui organise, qui fait la fraude au vu aussi de tout le monde. La justice dit c'est légal. Ils considèrent que c'est du blanchiment. Ils ont posé énormément de questions quant à la gouvernance du Mali. ils disent, je pense que certains d'entre eux avaient déjà dit, euh, oui, euh, Ibeka, c'est peut-être, euh, il se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Mais quand même, c'est tout un système, il n'est pas seul. Il y a tout un système de gouvernance dont le résultat est la situation qui vit le Mali aujourd'hui. À la fois sur le plan sécuritaire, du point de vue de la gouvernance, car les Maliens disent on a mis en place un médiateur dont le rôle, euh, euh, non, un contrôleur, mm-hmm. dont le rôle est de dire comment les ressources publiques ont été gérées. Ils disent grâce à lui, on sait que les ressources sont mal gérées, mais il n'y a aucune sanction. Donc la seule information qu'il nous donne, c'est qu'il nous confirme que les ressources sont mal gérées. Il y a donc, à mon avis, quelque chose d'extrêmement important dans la gouvernance au Mali. Et ce coup d'État, certains l'ont peut-être souhaité, d'autres ne l'ont pas mhm. souhaité. Mais quoi qu'il en soit, c'est une opportunité. Parce qu'elle permet de relancer les choses. Alors si on veut prendre le temps de changer, pas des hommes, mais la gouvernance, à mon avis, on peut aller au-delà d'un an de transition. Parce que ça suppose qu'on ouvre des discussions il faut mettre des garde-fous pour que les militaires ne s'éternisent pas. Au Niger, quand on l'a fait, on a dit une des conditions qu'on pose, c'est qui gère la transition ne peut pas être candidat. Je pense que dans la loi, c'est possible de faire ce type de discussion avec des acteurs maliens. Il faut surtout se dire, si on ne veut pas que le prochain président malien qui arrive à l'issue des élections, qu'elle soit libre, transparente, etc., qui ne fasse pas comme ce que Keïta a fait, Ibrahim Boubacar Keïta a fait, quels sont les garde-fous Est-ce qu'il y a eu des insuffisances de part la législation malienne qui a permis à un président de faire tout ce qu'il a fait, à son enfant, à sa famille de prendre les richesses. Aujourd'hui, on parle tellement de, de ce Keïta, euh, le fils d'Ibeka. Il y a, il y a, il y a eu, il y a l'autre Keïta, non, l'autre Karim du, du, du, du, Sénégal. Et puis là, on a le, Keïta du, du Mali. Alors, toutes ces choses-là aujourd'hui qui font que finalement, la gouvernance est totalement disloquée. À la fois la gouvernance de l'armée, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les militaires disent, mais notre hiérarchie aujourd'hui, elle fait partie du problème. Il y en a qui sont enrichis et finalement, on ne peut pas continuer à faire la guerre avec une hiérarchie à laquelle les éléments n'ont pas confiance. À mon avis, il y a énormément de problèmes, à la fois sur le conflit dans toute la sous-région, sur la gestion des finances publiques, sur les rapports des citoyens à la démocratie. À mon avis, les problèmes que les Maliens ont posés renvoient vraiment au type de problématique que nous rencontrons depuis presque 25 ans aujourd'hui qu'on a tenté de faire la démocratie dans notre pays. Si les Maliens veulent changer ça, ce ne sera pas avec euh, trois mois ou quatre mois des élections. Donc ça veut dire l'enjeu aujourd'hui au Mali, ce n'est pas simplement une élection. L'enjeu, c'est quelles sont les mesures qu'on prend pour que ce système-là ne puisse plus continuer à prévaloir. Et dans ce cas, c'est aux Maliens de dire, si les Maliens disent on a besoin de deux ans pour prendre les mesures qui empêchent au prochain d'être un IBK bis, à mon avis, c'est aux Maliens de déterminer la durée de la transition. Et donc pour moi, a priori, 9 eh, mois, 2 ans, 3 ans. C'est difficile à dire dès lors qu'on ne dit pas qu'est-ce qu'on veut faire d'une transition. La monsieur Garé, quels sont. oui. Je ne suis pas d'accord avec Abba parce que, en fait, eh, ce serait très mauvais d'encourager les militaires à faire ce qu'ils sont à, s'éterniser au pouvoir. Pourquoi je le dis Non, mais non, c'est pas non, c'est parce que s'ils font trois ans, 3 ans, c'est une éternité. Vous savez, vous savez le, le problème, c'est quoi C'est-à-dire que déjà et, je juste une question à Je comprends bien. Pour faciliter. Alors, supposons qu'il veut faire trois ans et que le peuple malien est entièrement d'accord avec. Le problème, c'est pour qui Mais c'est qui le peuple malien Il faut un référendum pour savoir si le peuple malien est d'accord. Supposons qu'il fasse un référendum et que les disent sont d'accord. Non, ils ne sont, pas, ils sont pas dans la logique de faire un référendum. Monsieur Gary, quelles sont donc les attentes du, peuple malien Les attentes du peuple malien sont très simples. Eh ben, en réalité, les Maliens ne se reconnaissaient plus en Ibeka IBK. Mhm. Ils ont besoin eh, d'un nouveau système. Mais le nouveau système, c'est quoi c'est pourquoi je vous dis que c'est mal parti. Parce que je vous dis, la transition, les militaires veulent euh, une transition où d'abord, ce qu'ils veulent, dirigé par un militaire, et le gouvernement qui va être mis en place sera composé majoritairement de militaires et de quelques civils. Ça, déjà, c'est mauvais. Deuxième indice qui permet de savoir que les militaires ont un plan pour l'après-transition. Goïta, ce n'est pas lui qui va diriger la transition. On parle d'un certain Mohamed Touré. Mhm. Oui, parce que là, si on dit que celui qui dirige la transition ne sera pas candidat, Guetta ne sera pas concerné en ce moment-là. Ah oui, parce que là, quand il va déposer ses, habits de militaire, il sera en droit de se présenter. Il y a quelque chose qui se prépare. Les Malais ne se rendent pas compte. Et j'ai dit, moi, ceux que j'accuse, ce sont les gens du M5 qui sont en train de prêter le flanc. Et j'ai dit, c'est très dangereux. Franchement, pour le Mali. C'est très dangereux parce que ceux qui sont en train de se dessiner là, ils vont se rendre compte. Pour le Mali mm. Mais non, enfin oui, pour, la, pour la ah ah sous-région. Et j'ai dit, les gens sont en train de condamner la CDAO. Mais vous voulez que la CDAO dise que, ah oui, oui, trois ans. Ah. Mais alors les militaires qui sont dans les autres pays vont dire, ah, ah, ah. Donc ça veut dire que c'est intéressant ces affaires-là. Dès qu'il y a un petit problème, on, on vient et puis on s'installe. Le dernier point de ce forum porte sur les préparatifs des élections en Afrique. Cinq pays ouest-africains doivent tenir des scrutins présidentiels, à savoir le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Ghana. Ces élections se tiendront dans un contexte d'insécurité et aussi de la pandémie et de la maladie à coronavirus. Quels sont donc les enjeux euh, de ces élections qui vont se dérouler dans les cinq pays africains Déjà dans les cinq pays mm. africains, il faut voir déjà deux pays africains qui mm. sont très intéressants. <laughs> C'est la Côte d'Ivoire et, la Guinée. C'est les deux pays très intéressants, à, mon avis, hein, parce que ce sont des pays où les deux présidents ont décidé de briguer un troisième mandat. Donc, je me dis que déjà là-bas, la CDAO a euh, du pain sur la planche, parce que la CDAO doit résoudre ce mhm. problème, euh, ce, petit problème, parce que, à mon avis, c'est un petit problème qui peut être réglé mhm. à leur niveau. Non, non, euh, c'est un petit problème pour moi. Alors, niveau, au niveau de la CDAO, parce qu'ils se. non, déjà, déjà, déjà, ils se reconnaissent, déjà, ils, ils, sont, ils sont ensemble, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, parce que des fois, quand on regarde même la CDAO, ne regarde pas l'intérêt du peuple, des peuples africains, mhm. ils regardent leur intérêt d'abord. Et donc, je me dis qu'on doit d'abord régler cette situation. Et quand on regarde aussi, euh, ces deux dernières années ou trois dernières années, les élections en Afrique vraiment, c'est des élections des fois truquées. C'est des élections qui sont revendiquées. C'est des élections où c'est pas le peuple africain qui décide, en fait, euh, qui font parler les urnes donc c'est vraiment une situation vraiment très difficile. Et quand on regarde également <laughs> le, contexte que vous avez dit, moi je ne parle pas de Covid-19, je parle surtout de l'insécurité, <laughs> parce que Covid-19, même les militaires au Mali n'en croient pas cette situation de Covid-19. Mais l'insécurité, là je peux dire que l'insécurité aujourd'hui, c'est ça aussi qui cause le problème. Parce que quand vous regardez, le Burkina est touché, le Niger est touché, mm-hmm. on regarde euh, au niveau donc... Euh, euh, Guinée et Côte d'Ivoire, on peut ne pas dire que aussi l'insécurité les a hein. Mais je pense que vraiment il y aura des enjeux. C'est que les enjeux, c'est quoi C'est que véritablement, il faut d'abord créer les conditions pour qu'il y ait des élections libres, crédibles et transparente. Et pour qu'il y ait des élections libres, et crédibles et transparentes, c'est parce que des fois, les institutions que nous mettons en place, ne mhm. sont pas des institutions qui servent le peuple, mais ce sont des institutions qui servent les dirigeants, qui servent euh, la, euh, une petite partie de ces populations-là. Donc je pense que véritablement, on a du pain sur la planche. Il y aura déjà des localités qui, ne pourront pas voter, même avec ta mhm. carte. Ah, oui, je pense que comme Mouna l'a dit, il y, a, quand même euh, ces pays-là peuvent être classés en deux groupes. Hein. Euh, il y a le groupe à risque, ah euh, notamment la Côte d'Ivoire et, la, Guinée. l'autre groupe où il y a moins de risques, avec le Niger, <laughs> qui est sur le papier le bon exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui dit moi, j'ai fini mon mandat, je ne suis plus candidat. C'est vraiment le bon exemple. Sur les papiers, encore une fois, je ne veux pas aller dans les profondeurs. Le Ghana, le Ghana a une tradition euh, d'alternance. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de difficultés sur ça. Maintenant, le groupe le plus difficile, c'est la Côte d'Ivoire et, la Guinée. En Côte d'Ivoire, euh, non seulement, euh, contrairement à ses déclarations antérieures, Ouattara est candidat, elle veut candidat en excluant ses potentiels mhm. adversaires. Euh, Bagbo, Soro seront tous euh, exclus. Et dans un pays où les braises euh, ne sont pas encore totalement éteintes, je pense que 2010, n'est pas loin pour tout le conflit qu'ils ont connu. Pendant, pendant, longtemps, les Ivoiriens lui ont quand même reproché de ne rien faire pour oublier la crise de 2010. La preuve, la plupart des sanctions ont frappé le camp des vaincus. Mhm lui étant dans le camp des vainqueurs. Donc dans un pays où le débat est actuellement très fort, je pense qu'il y a beaucoup de risques que, euh, que comportent ces élections en Côte d'Ivoire. La Guinée aussi, euh, c'est quand même un pays qui a connu beaucoup de violences euh, dans un passé récent. Mm. Euh, il y a comme un entêtement d'Alpha Condé, même s'il ne le dit pas tout de suite, tout le monde le voit candidat. et donc là, ça comporte vraiment des, risques. Et ça prolonge malheureusement la vision selon laquelle on a toujours des rois télé en Afrique. Ils ont beau s'appeler démocrates. Euh, opposants modèles, etc., anciens euh, de l'international socialiste, de la FEANF, e euh, tous ces avatars qu'ils veulent souvent mhm. exhiber, ça montre qu'ils ressemblent beaucoup plus à des rois télé qui ne veulent pas partir au moment où ils doivent aller. Et ça donne une mauvaise image de notre démocratie. L'Afrique de l'Ouest est considérée pendant longtemps comme un modèle pour les autres parties de l'Afrique. Euh, si vous prenez euh, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, tous ces trucs, Paul Biya, Sassou Nguesso, euh, Déby qui font des années. Ah, ah, ah, alors, nous, on était considérés comme les, les, bons, les bons élèves. Malheureusement, ils donnent des mauvais exemples. Et regardez la personnalité de ces, de ces deux, présidents. Alpha Condé, quelqu'un qui a eu tous ses passés de militants et qui est totalement méconnaissable quand il prend les rênes les rênes de son pays la Côte d'Ivoire ou Alassane Ouattara, pendant des années, a souffert de l'exclusion mm-hmm. et qui fait aujourd'hui son cheval de bataille. Il veut arriver au pouvoir de cette façon. Et donc, ça fait beaucoup réfléchir. Et là, pour terminer, je vous raconte une anecdote. Alors, j'ai vu sur, euh, sur Internet une photo où on, montre euh, Paul Biya Idriss Déby, Sassou Nguesso, euh, Nguema de Guinée équatoriale, et on dit euh, les professionnels de l'Afrique euh, <laughs> centrale font la bienvenue aux amateurs de l'Afrique de l'Ouest, les amateurs étant ceux qui veulent faire le troisième mandat. Mhm. <laughs> voilà, les autres ont 25 ans, 30 ans, c'est vraiment des professionnels <laughs> du mandat à vie. Et vous avez des amateurs comme Ouattara, comme Kondé, qui veulent coûte que coûte aller, alors que ce qui nous donnait plus de valeur, c'était aussi de dire que nous, on n'est pas comme eux. Et donc aujourd'hui, ils veulent reprendre le chemin. Et c'est vraiment dommage pour notre démocratie. <laughs> Monsieur Garé, euh, la Côte d'Ivoire a déjà connu une crise post-électorale 2010-2011. Faut-il donc euh, s'attendre à un nouveau scénario Ah, mais, eh, mais on y est déjà. <laughs> vous avez vu les informations qui proviennent de, de, de, la Côte d'Ivoire mhm. C'est extrêmement inquiétant. Mhm. Moi, j'ai vu des, des images de vidéos où euh, on s'en prenait à des boutiques de, de, de, Dioula, dans certaines mm. villes. Saccagé, on a brûlé, on a. Je vous dis, à Daoukro. Oui, je vous dis, mais c'est extrêmement grave. Et l'État ivoirien est obligé hein, ah, bah, de, décréter l'interdiction de toutes les manifestations jusqu'à je ne sais pas dans quel combien de mois. Oui, jusqu'à Vous voyez, c'est une situation difficile. C'est-à-dire que les élections là vont se dérouler dans un mm-hmm. contexte où eh, vraiment il y a une certaine tension intercommunautaire. Vous avez, on soupçonne les, les, les, les, de soutenir Ouattara. Est-ce que vous comprenez mhm. Donc, le conflit électoral va devenir un conflit ethnique et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Ce qui va encore aggraver le cas, mhm. on va en revenir avec les putschistes maliens qui, pendant qu'ils ne sont même pas très bien installés, accordent l'asile politique à Guillaume Soro. <laughs> Ce qui est extrêmement bizarre pour moi, il ne faut pas que le Mali serve de base pour déstabiliser la Côte d'Ivoire encore. Ça, c'est encore une autre source de problème. Vous comprenez Guillaume Soro au Mali, avec des militaires, n'est-ce pas mhm. <laughs> Ça peut aboutir à, toutes sortes de scénarios. Parce que malheureusement, Guillaume Soro, quand même, c'est quelqu'un qui est coutumé de la chose. C'est à travers les forces nouvelles qu'il est arrivé là où il est, jusqu'à être Premier ministre, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que l'histoire se répète. Mhm. Mouna, vous avez quelque chose à ajouter pour terminer ah, Je pense que la, meilleure des choses à faire, en fait, c'est de stopper d'abord cette situation de Côte d'Ivoire et de Guinée pour que d'autres pays aussi ne soient pas tentés. Ne pas tentés par, cette situation. C'est comme si aujourd'hui on est en train de dire au, Mali, la gente, il faut mettre un arrêt. Mhm à cette situation de la jeune qui veut faire deux ans pour ne pas encourager d'autres militaires. Mm-hmm. Donc ça veut dire c'est ça en fait. Mais aujourd'hui, le point commun qu'on a, c'est l'insécurité. C'est plus facile, mais on a de, mm. de gérer ces, ces, ces, euh, ce type d'initiative dans un pays pauvre comme le Mali ou le Burkina que de le faire en Côte d'Ivoire l'enjeu que constitue la Côte d'Ivoire fait qu'on n'aborde pas la Côte d'Ivoire comme on aborde le Niger ou le Mali. Donc, la preuve, combien de temps a duré la crise avec Bagbo La CDAO n'a jamais su réussir vraiment. Il a fallu que la France, d'autres puissances interviennent. Donc, moi, je suis vraiment inquiet, si vous voulez, pour, ce, pour, ce pays. Et vu le poids économique de la Côte d'Ivoire dans la sous-région, ça peut, une crise qui s'installe durablement en Côte d'Ivoire, ça peut affecter déjà le Covid est passé par là, l'économie de la sous-région a été suffisamment affectée. Alors, si d'aventure une crise euh, euh, électorale ou post-électorale euh. en Côte d'Ivoire s'installe, je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle. En tout cas, ni Ouattara ni Alpha Condé ne sont pas des donneurs de leçons. en tout cas, pour ce qui est de la démocratie. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est vrai que la situation en Côte d'Ivoire est prise avec beaucoup de sérieux par la CDAO. Je crois que c'est pour ça que la Commission a fait un communiqué pour dire qu'elle s'inquiète mm. de la situation de, des violences qui ont, qui, ont lieu actuellement. Concernant le, Alpha Condé, vous savez, quand la CDAO par la voix de son président, bien sûr, Issou Mamadou avait critiqué la réaction, de, le comportement de Alpha Condé il y avait eu un froid entre les deux présidents. Mhm, cest oui, oui, Alpha Condé euh, a, pratiquement. Ils étaient très liés avant. Mhm. Ils étaient très liés, mais il y a un froid qui s'est installé parce que tout simplement, il se a dit la vérité, que n'est pas bon ce qu'il veut faire. C'est vrai que dit que jusqu'à présent, il n'a pas encore, mais on sent qu'il a envie. Il, voilà, mais, je, vous dis que euh, euh, c'est des pays où les situations sont assez explosives. Mhm. Même en, Guinée, hein, rappelez-vous, l'opposant principal, c'est vous, d'Alain Diallo et ses partisans les, les, éléments de Alpha Condé, c'est des affrontements réguliers. Hein. Donc, euh, pendant tout le mandat, en fait. Pendant tout le mandat. Donc, euh, euh, Alpha Condé doit faire attention. Et je crois que Ouattara aussi. J'ai peur que le pays tombe dans une guerre civile parce que je vous dis que ça a pris une, allure de conflit interethnique. Il faut qu'à un moment qu'il puisse, je ne mhm. sais pas, j'ai l'impression qu'il est déjà parti, et, il est lancé, quand on a vu ce qui s'est passé au stade avec ses supporters, et vraiment j'ai peur pour ce pays. Et je ne sais pas. Nous sommes donc au terme euh, du forum de la presse euh, du studio Kalangu. Merci à nos invités. Nous étions donc en compagnie de Memouna Gado, journaliste freelance, Garé Amadou, journaliste à la Nation, et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. La présentation était assurée par Fatih Zakari. La régie technique Halidou Harouna, la régie vidéo Mustafa Ayouba. Merci aussi à nos auditeurs euh, pour leur fidélité au studio euh, Kalangou. Le rendez-vous est pris pour euh, ce samedi avec le forum en Hausa sur l'utilisation des produits phytosanitaires à Madawa et le dimanche le forum en Germa sur l'importance de la production du moringa.